motax mu préféré xiifal bopam fini toll tembe nak ni xex bi ko ba avancé avancer bi dafa new avancer bi moy aljuma bi ñu deugmal ñaari fan ci def ci lañuy déglu Pape sur le fond ñuy ñaan yalla bu ñu ci yeggé té vraiment am njort li comme Pape Alé deful lu wara tax mu teud juge bi dina ko ñu jox ko liberté provisoire ma ñu mettre ko ñoo xam ñuy def Pape ne doit même pas aller en procès il n'a fait absolument rien qui puisse lui valoir aujourd'hui un procès il a fait son devoir de journaliste il doit être élargi parce que absolument il n'a absolument rien fait maintenant vouloir accréditer euh, comment dirais-je la thèse d'un procès éventuel moi je n'adhère pas à ça nañ pas payé parce que il n'a fait que son travail de journaliste dans les pays démocratiques journaliste buñ defone li tay dañ la wara féliciter combat bi du pour pap ali ku ko def sa bop nga defal parce que nak ñun ñep nous sommes dans l'entre vraiment du cyclone ku bu yabo xamne buñu paré ci mom buñ ko baye mu jall en tout cas man je suis déjà sur leur liste il paraît on a fait circuler une liste mais je dis man limay def duma ci mossa arrière comme mettre en prison qu'on me tue, qu'on me liquide, ça pas mon problème. L'essentiel, c'est que le travail que je suis en train de faire, je le ferai en toute conscience. Maintenant, je suis liggéey, ok, maintenant je suis mais li waroon ne mooy li may def dama koy def sama aqulaay taala te seetuma ci leneen dul sama mbëggeel pour pour pour sama ilaa warul amati un prochain conseil des médias te Pape allez génnul ci kaso bi ces rassemblements à n'en plus finir il faut les arrêter le combat ça doit se passer dans la rue il faut acter dès maintenant le boycott de toutes les activités du gouvernement, y compris le communiqué du Conseil des ministres. Il faut le faire dès maintenant. Qu'est-ce qu'on attend pour passer à l'acte C'est la question que je me pose moi. Il faut qu'on arrête les rassemblements, les amis. Il faut acter le boycott aujourd'hui et maintenant. Il n'est pas question qu'on revienne ici. Tenir un autre conseil des médias si Pape Allé n'est pas libéré le vendredi. C'est bien de se rassembler, mais c'est quoi la solution Quelle est la solution Passons à l'acte. Et eh, le combat, Je suis prêt à répondre. Nous avons une cette famille des médias. ak nous avant Macky Sall Ils n'ont pas le droit de droit d'abandonner ce combat-là. Et moi je prends la responsabilité entière de les interpeller aujourd'hui et maintenant.